populaire dans ce pays, monde Voilà quoi, ma mère quoi, elle, a fait tout pour moi, ça même. Voilà. là Ouais. Euh, euh, ouais, moi, t'as remarqué le bruit. Le le j'ai rien à faire à part la danse. Hein. Mm. Pour l'instant, la danse, ça m'a Oui, c'est mais est-ce que yaa ngi ciy gagné xaalis. bu baax maa ngi gagné xaalis sama maa ngi gagné xaalis parce que dans bu fekkoon fayoon dara comme bàyyi naa bu yàgg.